studio forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. Le forum du studio Kalangu. 8h de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons le forum avec le Conseil supérieur de la communication qui a rendu public ce matin deux rapports sur le, monitoring des médias. Ensuite, euh, nous allons parler de la journée mondiale de l'allaitement maternel exclusif célébrée ce lundi 1er août 2016. Et enfin, nous allons revenir sur les causes et les conséquences de la conférence nationale souveraine tenue en 1991 au Niger. Je le disais tantôt, nous débutons ce forum avec le Conseil supérieur de la communication qui a rendu public ce matin deux rapports sur le monitoring des médias. Ces rapports ont été élaborés par le Conseil supérieur de la communication. De quoi s'agit-il précisément Abdurrahman Ousmane, président du Conseil supérieur de la communication, répond aux questions de Lauratou Ibrahim Gadou. Le Conseil supérieur de la communication a rendu public euh, les deux rapports de monitoring des médias. Le premier rapport concerne euh, le monitoring de l'accès équitable des partis politiques des syndicats, des associations et des citoyens aux médias publics en période hors électorale. Il y a quoi dans ce rapport euh, Dans ce rapport, il y a le traitement de l'ensemble des demandes de couverture que le Conseil supérieur de la communication a reçues. Le Conseil les a traitées et a délibéré en accordant soit la couverture gratuite pour les activités qui relèvent donc euh, de la couverture gratuite et un accès payant pour les autres activités. Le deuxième rapport, lui, porte sur le monitoring des médias publics et privés pendant les élections présidentielles et législatives de 2016. Et il y a quoi dans ce deuxième rapport Dans ce deuxième cas, il y a les résultats de l'accès des candidats, des 15 candidats à l'élection présidentielle et des 28 partis politiques qui ont pris part aux élections législatives. Là également, nous avons pris média par média pour analyser notamment est-ce que l'accès a été égal pour les candidats est-ce qu'il a été équitable pour les partis politiques et est-ce que les médias privés ont respecté par exemple le principe du pluralisme et de l'équilibre de l'information Donc c'est toutes ces données-là, plus maintenant les statistiques, les tableaux que nous avons compilés pour faire un rapport de monitoring que nous avons publié et qui va servir maintenant pour évaluer le travail du Conseil supérieur de la communication. Président, pouvez-vous nous parler un peu du processus de ce monitoring Oui, le processus a été dynamique nous avons d'abord élaboré les textes pour réglementer l'accès des candidats et des partis politiques. Nous avons partagé ces textes-là avec les représentants des partis politiques et des médias publics et privés. Ils ont apporté leur contribution. Par la suite, nous avons donc adopté les différents textes. Après, nous avons procédé à la séance de tirage au sort pour déterminer l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages. Par la suite, nous avons enregistré les messages et nous les avons diffusés en tenant compte du temps d'antenne accordé à chaque format et à chaque candidat ou parti politique. Maintenant, à travers notre unité de monitoring, nous avons procédé au décompte pour savoir pour chaque candidat quel a été le temps d'antenne qui lui a été consacré, mais aussi nous avons aussi suivi la publicité la publicité politique sur les médias publics et privés. Donc vraiment, ces deux rapports contiennent une partie théorique donc qui décrit la méthodologie, la base juridique sur laquelle nous avons travaillé. Une deuxième partie qui concerne les données statistiques. Et donc chaque candidat peut voir tous les médias quel est le temps qui lui a été accordé et ça permet de mesurer si l'accès a été équitable ou pas. Globalement, on retient que l'accès aux médias publics surtout a été beaucoup plus équitable en période électorale qu'en période hors électorale. Donc il faut savoir tirer les leçons pour voir pourquoi en période électorale nous avons un accès équitable aux médias publics et un accès moins équitable en période hors électorale. Qu'est-ce qui peut l'expliquer Ce qui peut l'expliquer, c'est les enjeux. En période électorale, comme vous le savez, chaque parti, chaque candidat tient à ce que son message soit diffusé à l'endroit des électeurs. Alors qu'en période hors électorale, l'enjeu est moins grand. Certains partis comprennent que l'accès aux médias publics est un droit et que par conséquent, il faut en D'autres, en tout cas, n'accordent pas une très grande importance à cet accès et que, conséquemment, par exemple, ne font pas de demande de couverture auprès du CSC. E. De l'autre côté, il y a aussi le comportement des médias publics eux-mêmes. Nous constatons quand même que même pour des activités qui n'ont pas fait l'objet de couverture, le traitement n'est pas le même entre les partis, par exemple, au pouvoir, le parti de la majorité et le parti de l'opposition. Donc là aussi, il va falloir revenir à l'orthodoxie pour que, euh, au niveau des médias publics, qu'il y ait un traitement beaucoup plus objectif, beaucoup plus impartial des activités de tous les partis politiques sans considération de leur appartenance à la majorité ou à l'opposition. Pouvez-vous nous parler de l'unité qui s'est chargée du monitoring Oui, euh, l'unité du monitoring est constituée de deux parties. Il y a la partie technique composé donc du dispositif de monitoring que nous avons installé, qui nous permet aujourd'hui de suivre les programmes de toutes les télévisions publiques et privées, d'enregistrer ce programme et de le stocker jusqu'à une période d'un an, et les radios ça, nous avons une capacité de stockage qui peut aller jusqu'à trois ans et demi. Maintenant, une fois que le programme sont enregistrés, il faut les exploiter. Donc, et ça, c'est la composante humaine. Là aussi, nous avons une équipe permanente au niveau du CSC que nous avons renforcée au moins des élections avec des moniteurs que nous avons recrutés et c'est eux qui se chargent maintenant de l'exploitation des données qui sont enregistrées par le dispositif et aussi de la rédaction, du remplissage des fiches et nous avons un groupe de travail, lui, qui a élaboré le rapport à partir des données que les moniteurs lui ont transmises. C'était la Abdramana Ousmane, présidente du Conseil supérieur de la communication, le CSC, qui a rendu public ce matin deux rapports sur le monitoring euh, des médias. La suite de ce forum du studio Kalangou, à l'instar de plusieurs pays à travers le monde, le Niger célèbre aujourd'hui la, journée internationale pour l'allaitement maternel exclusif, une méthode qui depuis plusieurs années est au cœur des campagnes de sensibilisation destinées aux femmes allaitantes dans toutes les formations sanitaires du Niger. Qu'est-ce que, l'allaitement maternel exclusif sont euh, ses avantages Élément de réponse avec euh, Dr Ilyasu Idimay Nassara. Il est interrogé par euh, Gungu Mohamed Dantani. Bonjour monsieur. Bonjour. Docteur, qu'est-ce que c'est que l'allaitement exclusif L'allaitement exclusif, c'est le fait d'allaiter un enfant depuis sa naissance jusqu'au minimum six mois sans adjonction de quoi que ce soit. Pas de l'eau, pas de lait artificiel, pas d'autres produits, uniquement le lait maternel. C'est ça qu'on appelle allaitement exclusif. Quels sont les avantages de l'allaitement exclusif ah, L'allaitement exclusif euh, a beaucoup d'avantages. Et d'abord, c'est gratuit. On n'a pas besoin, sur le plan économique, d'acheter le lait. le lait est disponible et chez la femme, il suffit que la femme mange normalement une alimentation riche, équilibrée, variée et qu'elle arrive à boire beaucoup des aliments liquides. Et le lait est disponible à tout moment. Ce lait-là ne peut pas entraîner la diarrhée. Il comporte beaucoup d'anticorps. Ça veut dire ça renforce l'immunité de l'enfant. Ce lait ne contient pas des microbes elle ne contient pas de germes. On n'a pas besoin de le préparer. Il est déjà préparé et il contient toutes les vitamines que vous connaissez, toutes les substances nutritives qui peuvent participer au développement harmonieux de l'enfant sur le plan physique, psychique et moral, etc. Et c'est elle qui donne l'affection, c'est elle qui est affective qui protège l'enfant de tout ce qui est maladie infectieuse et tout ce qui a un lien avec un problème de santé. Quand vous prenez, à la différence des autres laits, ils peuvent contaminer l'enfant. Ils peuvent entraîner des troubles digestifs. Et le lait de la mère facilite la digestion. Il ne peut pas entraîner des troubles digestifs. Donc, en un mot, le lait maternel est le meilleur lait c'est elle qui assure la protection de l'enfant. Docteur, au vu de la description de ce lait maternel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'acceptation par les mamans de l'utilisation de ce lait Elles doivent l'accepter si réellement on veut avoir des enfants sains, si on veut avoir des enfants qui demain auront l'affection d'autres personnes, au-delà même de leurs parents, de la société si on veut avoir vraiment des enfants qui doivent grandir avec une bonne moralité, un bon physique, un bon développement intellectuel, un bon quotient intellectuel. Si on veut avoir des enfants qui sont sains, donc pour vous dire que par rapport à ce lait si on l'a donné à l'enfant, c'est un tout, puisque c'est un lait qui n'est pas comparable à un autre lait. Elle n'est pas comparable au lait de vache que les autres donnent. Il n'est pas comparable aux autres laits artificiels qu'on donne aux enfants. Docteur, il est évident que par rapport à cette application, des sensibilisations sont faites au niveau des maternités. Comment vous voyez la perception des femmes par rapport à cette euh, utilisation Oui, quand vous prenez dans toutes les maternités, dans tous les CSI, il y a toujours le terme, le thème allaitement maternel dans les programmes d'EPS. EPS, c'est e Information, Éducation, Communication pour la Santé, qu'on fait avant chaque séance d'activité. Le premier thème ou le thème primordial, c'est l'allaitement exclusif, surtout les femmes qui viennent d'accoucher. Le premier mot qu'on leur annonce ou dont on leur parle, c'est l'allaitement exclusif. C'est vrai, il y a d'autres qui acceptent, mais il y a d'autres qui sont réticentes. La réticence, parfois, la justifie. La mère peut être une travailleuse, elle peut avoir d'autres préoccupations en dehors de la famille, ou le pire des cas, c'est quand la mère est malade. Si elle est malade, là, c'est même l'agent de santé qui lui recommande l'allaitement qui n'est pas exclusivement avec le lait maternel. Mais quand même, les gens commencent à adhérer à l'allaitement exclusif. Il y a des cas qui font l'autre allaitement artificiel ou qui combinent les deux, exclusif et artificiel. Mais on a constaté un développement disharmonieux chez les enfants à qui on fait l'allaitement artificiel ou à qui on fait l'allaitement mixte. Mais les enfants chez qui le développement a été normal, moral, physique, psychique, intellectuel, c'est les enfants qui ont été allaités uniquement au lait maternel. Vous parlez de réticence. C'est surtout au niveau urbain. En milieu rural, on n'a pas ce problème. Au niveau des intellectuels, des fonctionnaires ou d'autres femmes d'affaires, où on constate que l'allaitement exclusivement au lait n'est pas tout à fait bien accepté du fait d'un certain nombre de contraintes liées à leur profession ou liées à leurs préoccupations. Merci, docteur. C'était la docteur Ilyasu Idimaina Sara relativement aux avantages de l'allaitement maternel exclusif. Les Nigériens se souviendront toujours de cette conférence nationale souveraine qui a duré trois mois au Niger. Selon l'homme politique nigérien Sanusi Tambarijaku, l'un des acteurs de cette conférence nationale, la majorité des acteurs de la conférence qui s'est trouvée au niveau de l'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger et l'USN, l'Union des scolaires du Niger, du Niger, avait carrément ignoré l'esprit et la mission de la conférence. Sanusi Tambarijaku, au micro de Mariama Kenda. Le premier souvenir qui me vient en tête, c'est celui du débat sur le sort du président de la République de l'époque, son Excellence M. al Chebou, feu al Chebou aujourd'hui. Ce jour-là, donc, euh, il était question de répondre à la question suivante. Le président al Chebou, doit-il rester au pouvoir en tant que président de la République avec ses pleins pouvoirs ou bien il doit être purement et simplement éjecté ou moyennement être maintenu comme président de la République avec euh, des prérogatives protocolaires en inaugurant, comme on dit en France, des chrysanthèmes, c'est-à-dire c'est fleurs. Quoi. Donc euh, ce jour-là, le débat a été âpre. Et en fin de compte, euh, la conférence nationale a décidé de maintenir en poste euh, le président al Chebou, mais avec tout simplement des pouvoirs protocolaires, des prérogatives protocolaires. Et tous les pouvoirs de l'exécutif lui ont été pratiquement arrachés. Et il a été laissé comme ça sur son fauteuil, mais cependant avec des honneurs, je dirais même tous les honneurs. Voilà ça, évidemment, je ne l'oublierai pas et je n'oublierai pas ce jour-là. Parce que il fallait quand même juger du sort de quelqu'un dont la situation était considérée par beaucoup de participants à la conférence nationale comme ambiguë. Pourquoi ambiguë Ambiguë parce que le président Ali Chebou, officier des forces armées nationales, a participé au coup d'État du 15 avril 1974. Il était membre du Conseil militaire suprême qui a géré le pays jusqu'à la mort du président seine Kouché. Il était même devenu le chef d'état-major général des forces armées nationales. Il était quasiment le deuxième personnel du régime d'exception de seine Kouché. Et on peut dire que d'une manière ou d'une autre, il était considéré comme partageant la responsabilité de tout ce qui s'est passé du temps de Kunche. Et ce qui s'est passé là était absolument contraire à la démocratie. Donc euh, les gens considéraient que au moins il avait cette tâche-là et il a eu une seconde tâche qui a consisté à gérer le pouvoir au moment où il y a eu la fusillade du pont Le Martyr où les étudiants ont été tués. La responsabilité donc lui incombait en tant que chef d'État. Les gens lui mettaient ça sur la tête. On lui mettait aussi sur la tête la gestion de la rébellion de l'époque, disons la gestion comme des petits commandos qui s'infiltraient dans le pays et qui commettaient des prédations. Évidemment, il y en avait qui avaient été tués. Est-ce que par rapport à ces faits, on pouvait dire que le président avait quelque chose à se reprocher Bon, ça évidemment, en tant que compagnon de Kunche, d'abord, euh, il a fait amende honorable parce que tout de suite après la mort de Kunchi, quand lui-même il a pris les rênes de pouvoir et il a dit que le régime de Kunchi était crispé et que lui il est venu pour apporter la décrispation. Alors ça, c'était évidemment quelque chose de formidable, une planche de salut pour le peuple nigérien à l'époque. Et tous les Nigériens ont apprécié cette position du président al Chebou, qui a reconnu le mauvais comportement des dirigeants du CMS et la mauvaise gestion, et qui a montré qu'il regrettait cela, qui donc euh, s'était engagé à faire tout à fait le contraire, à amener le calme et la décrispation dans ce pays-là. Ça, c'est un. Et ensuite, euh, il a libéré tous les détenus politiques que son prédécesseur Seine a laissé. Figurez-vous que quand Ali a libéré les détenus politiques que nous étions, on était à peu près au nombre de 150, et il y en avait qui étaient jetés aux oubliettes, euh, dont on ne se souvient plus, et il y en avait qui avaient perdu même les traces de leur famille. Moi, pendant cinq ans, je n'avais de nouvelles ni de mon village, ni de ma mère, ni de ma femme, ni de mes enfants, ni de rien du tout. J'étais dans le lointain désert de Daoutimi là-bas, et il y avait beaucoup de gens comme ça. Donc Ali a quand même bien agi, et les prisonniers politiques et les démocrates d'une façon générale, et même les Nigériens lui doivent une certaine reconnaissance. Il ne fallait pas essayer de jeter à la poubelle un personnage qui agit de cette manière-là. Voilà donc euh, ce qui s'est passé, et c'est comme ça que, malgré le fait qu'il ait participé à la gestion du Kuntier, euh, malgré qu'il ait été chef d'État au moment de la fusillade du pont, fusillade qui a mené donc le massacre des étudiants, malgré tout cela, Ali avait accepté le multipartisme, il avait accepté la la conférence nationale et tout cela c'était à son honneur et ça plaidait en sa faveur. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, euh, nous avons estimé que ne méritait pas d'être éjecté comme ça, d'être écrasé et qu'il fallait nécessairement le maintenir et il a été maintenu. Ça, je me souviens beaucoup de ça et ça m'avait beaucoup marqué. Revenons à cette conférence, l'historique de cette conférence. Qui était réellement à la tête de, de cette conférence qui sont ceux qui étaient au devant de cette conférence Vous posez une très bonne question qui me permettra de dire que ceux qui ont produit ne sont pas ceux-là qui ont récolté. Ceux qui ont sémé, qui ont labouré, qui ont saclé et qui ont amené le champ à produire une bonne récolte, ce ne sont pas ceux-là qui ont fait cette récolte-là et qui en avaient profité. C'était bien d'autres opportunistes qui étaient tapis tout autour de la conférence nationale et qui ont surgi avec des procédés plus ou moins malicieux pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Les véritables acteurs de la conférence nationale, il faut les trouver d'abord au niveau de l'USTN, puis au niveau de l'USN, au niveau de certains syndicats affiliés et de certains hommes politiques euh, plus ou moins indépendants. Alors, si je dois mettre des noms euh, sur toutes ces organisations, je vous dirais que d'abord au niveau de l'USN, l'Union des syndicats des travailleurs nigériens, vous avez M. Lawali Moutari, qui était le secrétaire général, je crois, par intérim de l'USN, et qui a beaucoup travaillé pour l'avancement du processus euh, démocratique et révolutionnaire qui a conduit à la conférence nationale, donc euh, Lawali Moutari, et qui malheureusement s'était débiné par la suite parce qu'il n'a rien voulu être, ni président du Haut Conseil de la République, comme moi je le souhaitais, ni même membre du Haut Conseil de la République, ni Premier ministre, ni membre du gouvernement. C'est tout simplement quelqu'un, avec euh, bien d'autres lieustiennes, quelqu'un donc qui a estimé que, bon, ils ont conduit euh, le peuple nigérien, les forces vives de la nation à la conférence nationale de la démocratisation. Maintenant, ils s'en lavent les mains. C'était une grosse erreur qui nous a beaucoup coûté et qui nous coûte encore. Donc, Lawali Moutari. Pourquoi vous dites que c'était une grosse erreur Parce que lorsqu'on fait une révolution et lorsqu'on aimait décider, lorsqu'on dresse un plan de lutte, il faut nécessairement essayer de l'exécuter soi-même et ne pas laisser les autres le faire à sa place. La preuve, c'est que la conférence nationale a décidé d'un certain nombre de mesures et c'était les syndicalistes de l'USTN et les étudiants de l'USN qui étaient donc à la tête de ceux qui ont fait toutes les propositions possibles. Et voilà que, euh, au moment où il fallait exécuter leurs propres propositions, ils se sont mis de côté. Ils ont laissé les autres gérer la situation et ces autres-là, dans leur grande majorité, étaient contre contre la conférence nationale, contre son esprit et contre les décisions même qui ont été prises. Qui étaient ces autres Mais ces autres-là, vous avez d'abord le président du Haut Conseil de la République, euh, qui était président du président, André Salivou, et un certain nombre d'autres membres du Haut Conseil de la République. Nous étions au nombre de 15, j'étais membre du HCR, ils étaient 8 qui manifestement n'avaient plus l'esprit de la conférence nationale. Nous, nous étions 7 qui avions gardé cet esprit de la conférence nationale. Et puis ensuite, quand vous prenez euh, l'exécutif, le gouvernement du chef Amour, le chef Amour n'était pas là. Quand on a mené toutes les luttes qui ont abouti à la conférence nationale, il a pu devenir Premier ministre. Et si vous fouillez dans son gouvernement, vous verrez que euh, la très grande majorité des membres du gouvernement du chef Amadou n'étaient pas des acteurs de la conférence nationale et certains même étaient parmi ceux qui étaient contre la conférence nationale. Donc ils ne pouvaient pas absolument faire appliquer le programme de la conférence nationale. Monsieur le ministre, c'était quoi l'esprit de cette conférence nationale L'esprit de la conférence nationale, premièrement, c'était de lutter contre la Banque mondiale, le FMI, ces institutions du Bretton Woods et toutes les mesures qu'ils ont voulu imposer au peuple nigérien. Parmi les mesures, il y avait la liquidation de tout notre acquis économique, la liquidation de toutes nos sociétés d'État, d'économiques, des offices, etc. Autrement dit, le retrait de l'État du système économique de notre pays. La Banque mondiale et le FMI voulaient donc liquider cela. Et avant la tenue de la conférence nationale, ces deux institutions avaient fait liquider beaucoup. Et ensuite, ils voulaient réduire euh, drastiquement la masse salariale et par conséquent faire débaucher même beaucoup de travailleurs et empêcher à ce que l'État recrute euh, des fonctionnaires. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, l'État avait cessé de recruter des fonctionnaires jusqu'en 2011. Hein, jusqu'en 2011. La Banque mondiale et le FMI ont empêché à ce que le gouvernement nigérien recrute de nouveaux fonctionnaires. De 1991 à 2011, soit pendant 20 ans, ils ont empêché et il a fallu l'arrivée du président Issoufou au pouvoir pour qu'il se mette à recruter les fonctionnaires de l'État du Niger en chômage. 80 000. Alors, c'est la conséquence d'une des mesures qui a été imposée au Niger et que la conférence nationale combattait. La conférence nationale a dit net, nous ne sommes pas d'accord pour la poursuite des privatisations et liquidations. Nous ne sommes pas d'accord pour restreindre la masse salariale. Nous ne sommes pas d'accord pour essayer d'appliquer ce qu'on appelait le programme d'ajustement structurel. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé de ceux qui étaient contre l'esprit euh, de cette conférence nationale, dont le professeur André Salifou, qui était donc le président de cette conférence. Oui. Et, et, expliquez-nous dans ce cas, comment se sont passées les choses Écoutez, nous sommes allés à la conférence nationale. On se connaissait peu. Et ceux qui se connaissaient, bon, ne voulaient pas quand même euh, essayer de, de, se quereller. Et j'ai essayé de se faire valoir individuellement. Et ils étaient appuyés par leurs parents, par leurs amis, par les gens de leur clan, par les gens de leur ethnie, par les gens de leur région. Bref, les gens étaient appuyés subjectivement par beaucoup de personnes et beaucoup de mouvements. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la conférence nationale. Mais ce n'était pas l'esprit de la conférence nationale. Quand on a mis en place le président, c'était cet esprit-là avec ce subjectivisme qui ont prévalu. Et ensuite, nous sommes allés pour mettre en place les structures de l'État post-conférence nationale. C'était la même chose. Ce n'étaient pas les vrais partisans de la conférence nationale les vrais militants qui se sont battus, c'est pas eux qui se sont retrouvés à la tête de l'État. C'est ça qui est grave. Et ceux qui se sont retrouvés à la tête de l'État, c'était pratiquement des adversaires de la conférence nationale et ils ont liquidé les acquis de la conférence nationale. Nous avons lutté contre le pass. Moi, j'étais président de la commission économique de la conférence. La conférence nationale a rejeté le pass. Mais à peine la conférence nationale terminée, nous sommes revenus sur le pass parce que ceux qui géraient le pays étaient justement d'accord avec le pass. Mais quand on est allé et qu'on a tenu cette conférence nationale, c'est qu'on a pu consolider l'idée, c'était la démocratie politique. Autrement dit, les libertés démocratiques, les libertés civiles et politiques, et même les libertés économiques. Et vous avez eu, vous, les membres du média, vous avez eu la liberté de presse. S'il n'y avait pas eu la conférence, vous ne seriez pas là en train de m'interviewer. Il n'y aurait pas eu de journaux, de nombreux journaux en tout cas. Merci, monsieur le ministre. C'était là l'homme politique nigérien Sanusi Tambari relativement à l'esprit et la mission de la conférence nationale souveraine tenue en 1991 au Niger. Toujours à propos du 25e anniversaire de la conférence nationale souveraine euh, du Niger, je vous, propose à présent d'écouter l'acteur de la société civile nigérienne, El Haji Nou Arzika, qui était l'un des artisans de cette conférence. Selon lui, 25 ans après, le bilan de l'exercice de la démocratie est mitigé. On l'écoute. Nous, Mahmoud Arjika, bonjour. Bonjour. Quel souvenir gardez-vous de cette conférence euh, nationale souveraine 25 ans après, on peut se dire que jusqu'à présent, malgré tous les soubresauts que nous avons connus dans notre pays au lendemain de la tenue de cette conférence, des tentatives de remise en cause multiples qui ont pu être observées n'ont pas en tant que telles émoussé l'espoir de voir euh, la démocratie s'établir, se consolider et même se promouvoir dans notre pays. Aujourd'hui, notre processus démocratique enclenché à partir de cette période connaît évidemment quelques difficultés dans ce qu'il est devenu. Parce que entre l'espoir que nous avons fondé de voir une démocratie se faire, s'observer dans l'esprit de ce qu'on dit communément, qu'il s'agit d'un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire un gouvernement qui sera issu de la volonté du peuple à travers les formules de choix qui permettent au peuple de se choisir les élus qui auront à exercer la souveraineté à son nom et que ça soit une gouvernance qui sera faite par le peuple, c'est-à-dire avec le peuple, avec la participation citoyenne dans le cadre de l'action de la gouvernance et aussi pour le peuple c'est-à-dire que le bénéficiaire exclusif de l'action de gouvernance est le peuple. C'est la nation et le peuple qui doivent être les bénéficiaires exclusifs de cette action. On constate que, effectivement, durant toute cette période, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des situations assez tumultueuses et qui font qu'aujourd'hui encore, on peut dire que la démocratie au Niger, son exercice est mitigé parce que il y a beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui là dans notre pays et qui font que l'espoir fondé sur la démocratie en tant que mode d'organisation politique des pouvoirs, les acteurs qui sont censés animer cette vie démocratique, parce qu'ils ont choisi une formule de dévoiement de cette démocratie, ça fait que beaucoup de gens sont même venus à regretter même pourquoi la démocratie. Vous entendez souvent les gens faire l'éloge des régimes d'exception, les régimes de Kunche, faire l'éloge des régimes des partis uniques, celui de RDA, en se disant que la démocratie telle qu'on l'a vue aujourd'hui, c'est une pagaille. Et c'est une sorte de désordre. Et c'est une sorte de démocratie mal gérée où les gens mettent en avant leurs intérêts égoïstes et personnels. Que les partis politiques même qui se créent, et se créent non pas pour conquérir et exercer le pouvoir dans l'intérêt du peuple, pour le peuple, mais luttent pour conquérir le pouvoir pour se partager. Alors là, nous, Mahmoud est-ce que c'est une réussite la conférence nationale souveraine ou bien un échec Bien sûr que la conférence est une réussite. La conférence n'est pas en cause. La conférence a été une occasion, une opportunité pour le peuple nigérien qui a lui a permis pour la première fois de son histoire de se retrouver face à lui-même et à faire le diagnostic de tous ceux qui allaient et ceux qui n'allaient pas. Et sur la base de ça, des propositions concrètes ont pu être faites sur comment il faut faire. Malheureusement, ceux qui ont eu la charge de continuer de mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la conférence. Ils ont travesti, ils ont trahi, ils ont même pratiquement dévoyé pour l'essentiel ce qui était recommandé et attendu. Donc en cela, on ne peut pas accuser la conférence, mais on accusera ce qui s'est passé après la conférence. Ça veut dire que beaucoup de gens ils étaient là avec euh, double casquette. Durant la conférence, ils faisaient semblant d'être des gens acquis à la cause des idées qui sont défendues par la conférence. Mais sitôt la conférence terminée et qu'on a fait au revoir, les gens ont considéré bon, que les recommandations de la conférence, les cahiers de charges, les différentes euh, résolutions de la conférence, il n'y a personne pour les contraindre à les respecter. Et cela a commencé depuis le gouvernement de la transition. Et ça s'est aggravé avec euh, les régimes démocratiques qui ont pu s'installer par la suite, qui ont considéré qu'eux, ils ont fait l'objet d'élections. Ils ont été élus par le peuple. Maintenant, ils feront ce qu'ils veulent. Le peuple les a élus sur la base de leur semblant de programme et que c'est par rapport à ça que eux, ils vont gouverner et ils s'en foutent de la conférence et des résolutions de la conférence, ce qui a finalement totalement détourné les grands idéaux que la conférence a annoncés. Les recommandations qu'elle avait faites ont été pratiquement remises en cause. D'ailleurs, par des gens qui étaient même pendant la conférence acteurs. Parce que les premiers gouvernants de la pré-transition démocratique, c'était les gouvernants issus des forces du changement. Les partis là, ce sont des partis qui se sont réclamés du mouvement du changement. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, on a vu comment ils ont pratiquement géré. Et le reste, on connaît la suite. Aujourd'hui encore, nous avons à la tête de l'État des produits de la conférence, c'est-à-dire les gens qui sont issus du mouvement citoyen de lutte qui a conduit à la conférence et qui, au lendemain de la conférence, a aussi permis de voir euh, la constitution de la Troisième République et même les autres se faire sur la base de l'engagement de notre peuple à vouloir bâtir une démocratie citoyenne, une démocratie qui va prendre en charge les problèmes des citoyens, le destin national. Et ça se voit d'ailleurs dans le serment qu'on contraint le président de la République à faire. On dit que le président de la République doit travailler sans relâche pour le bonheur du peuple. Il doit respecter les aspirations du peuple. Il ne doit ni les trahir, ni les travestir. Et il doit, il doit, il doit, il doit, ainsi de suite. Mais sur le terrain, on constate que c'est pas ce qui se passe. Nous, Mahmoud Artika, de la conférence nationale souveraine à nos jours, 25 ans, il y a eu trois coups d'État militaires. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut repenser la classe politique actuelle dans son ensemble. Non, le problème des coups d'État, c'est autre chose. Vous savez, nous avons une armée qui est une euh, armée qui est issue pour l'essentiel d'une armée dont la mentalité au moment de sa création restait toujours dans l'esprit de la pacification, dans l'esprit d'une armée détachée du peuple et des intérêts du peuple avec la volonté de vouloir s'imposer au peuple. Ça a été le cas lorsque il y a eu le premier coup d'État en 74. Les gens ont fait des promesses. Ils avaient dit qu'ils luttaient contre une oligarchie, mais ils ont fini par mettre en place eux aussi une sorte d'oligarchie avec un régime d'exception qui pratiquement n'y avait que la volonté d'une personne qui s'imposait à tout le monde, ce qui n'est pas normalement démocratique. On ne peut pas gérer un pays avec la volonté d'une seule personne. On ne peut pas gérer un pays avec euh, les idées d'une seule personne. Un pays, c'est un tout avec tous les citoyens et donc le destin national, le destin de tous les citoyens doit être pris en charge par tous les citoyens selon les règles du jeu démocratique et non les règles des formules d'usage de la force à travers les coups de force que les gens font pour s'imposer et se réclamer le droit à une responsabilité que personne ne les a confiée pour être dans la position de jouer. On a vu le premier coup d'État après la conférence, le deuxième coup d'État, on l'a vu, et le troisième coup d'État aussi, on a vu. Et tous les arguments qui ont été avancés, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de possibilité à travers le mécanisme démocratique citoyen qui était prévu de trouver la solution, mais les gens avaient utilisé ça comme prétexte. Et il y avait d'ailleurs du côté des acteurs citoyens démocrates vous disons, entre parenthèses, ceux qui se réclament d'être démocrates, qui ont le plus souvent inspiré ces coups d'État. C'est pas le coup d'État uniquement qui est fait par la volonté des militaires qui veulent s'imposer, arracher le pouvoir et l'exercer. C'est souvent même eux-mêmes, les citoyens civils, les acteurs de la classe politique, qui estiment qu'en passant par les militaires, c'est une sorte de petit couloir qu'ils vont utiliser pour pouvoir vite arriver au pouvoir, un pouvoir qui ne peut pas avoir véritablement de façon démocratique. Nous, comment faire pour éviter tout ce cycle infernal des coups d'État au Niger Ce n'est pas une affaire de coups d'État qui constitue le problème. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est la prise de conscience des citoyens sur les enjeux de la forme de gouvernance à mettre en place et de la capacité des citoyens à participer à l'animation de la vie publique, à participer de façon consciente à la prise en charge de leur destin et à travers le suivi permanent des politiques publiques qui soient faites par les citoyens et des politiques publiques qui doivent être des politiques publiques inclusives qui prennent en charge les véritables aspirations des citoyens nigériens. Ce n'est pas une affaire de qui va gouverner, c'est une affaire de comment on va percevoir ensemble que le pouvoir que nous mettons en place, l'État qu'on met en place, le pouvoir qu'elle est censée incarner doit être un pouvoir au service de l'édification de la nation, au service de la construction nationale, au service de la création des conditions de l'épanouissement individuel et collectif et de la création de conditions pour que tous les citoyens puissent chacun être dans la position de jouir en tant que citoyen de ses droits et de ses devoirs dans un esprit de justice sociale qui est établi aujourd'hui comme principe de la République et de la solidarité nationale et qui aussi est retenu aujourd'hui comme principe de la République. Et ce faisant, on verra que les acteurs gouvernants, qu'ils soient civils ou militaires, ils ne sont pas dans la situation de travailler avec la volonté du peuple respecter le peuple et à laisser le peuple être le maître de la décision, de l'action à mener, alors dans ces conditions, que ce soit une dictature civile ou une dictature militaire, ça pose le problème de savoir qu'est-ce qui arrange le peuple. Parce qu'en termes de résultats, le peuple donc va juger au résultat. Parce qu'il ne sert à rien de dire on va utiliser un mécanisme démocratique, on va élire des gens sur la base de la fraude, sur la base de la corruption. Quelqu'un qui est élu sur la base de la fraude, sur la base de la corruption. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement il est démocratiquement élu est-ce qu'on peut dire véritablement, il incarne véritablement la volonté des citoyens Parce que le monsieur qui a vendu son âme au moment où... c'est un pauvre type qui n'a rien. en lui un petit truc et le jour du vote, il n'a aucune conscience sérieuse de ce que représente son acte de voter. Il le fait et en le faisant, c'est en faveur de quelqu'un qui l'a acheté. Et celui qui l'a acheté au lendemain des élections, il l'oublie. Et il considère qu'il n'a aucun contrat moral et politique avec lui. Et il considère que lui, il a fini avec lui le depuis le jour des élections où il a donné, il a payé. Donc il a investi pour s'acheter le pouvoir qu'il a acquis, j'allais ne pas conquérir, et qu'il a acquis par les moyens de, ses, ressources. Donc il fera ce qu'il veut de ça. Et en ce moment, on verra, on ne peut pas, dans ces conditions, parler de gouvernance démocratique ou de gouvernance citoyenne. C'est une gouvernance de la volonté des gens qui se sont donné les moyens d'obtenir l'adhésion des gens sur la base de leur argent ou sur la base d'autres considérations qui ne sont pas des considérations citoyennes parce qu'elles ne respectent pas un certain nombre de valeurs de vie en République ou des valeurs démocratiques. Donc toutes ces choses-là sont là. Ensuite, quand vous parlez des militaires, il n'y a rien, aucune raison ne peut justifier que quelqu'un, parce qu'il a les armes de la République, qui sont achetées par la République, il utilise sa position de pouvoir et vient arracher le pouvoir pour s'imposer au peuple. Maintenant, si cela arrive, c'est justement, ça peut arriver lorsque ceux-là même qui sont partis devant le peuple, dire qu'ils sont partis devant le peuple, ils sont issus des choix démocratiques, ils viennent à mettre totalement de côté les lois de la République et ils agissent en violation de toutes les lois et règlements de la République et en voulant vivre comme un régime d'exception. Mais quand ils vont vivre un régime d'exception, c'est-à-dire que c'est la dictature qui, de leur position de pouvoir sur le peuple et non de ce que doivent être les lois et règlements de la République qui sont conçus avant même leur élection. Parce qu'en démocratie, dans un état de droit, les lois et règlements de la République sont faites pour le peuple. Elles sont là pour gérer le pays de façon personnelle. La Constitution est votée avant de faire l'élection du président. Elle a un indiqué les prérogatives du président, elle a dit les prérogatives des députés, elle a dit les prérogatives de tous les élus, et même elle a dit les prérogatives de l'administration et du gouvernement. Donc tout est dit à l'avance. Maintenant, quand vous vous arrivez dans une position de pouvoir, vous mettez tout ça de côté pour agir selon votre propre déshydrata, selon vos propres orientations qui n'a rien à voir avec le cadrage politique et juridique qui est fait par le peuple à travers la Constitution et qu'il s'est librement donné et à travers les autres lois de la République que vous avez trouvé avant que vous n'arriviez au pouvoir, alors en ce moment-là, on devient dans une logique de gangastérisme juridique. Et lorsqu'on est dans une logique de gangastérisme juridique, ça veut dire qu'on vit une jungle. C'est une affaire de à qui mieux mieux, à chacun selon sa force. Mais pourquoi alors voulez-vous que quand des gens détiennent de la force physique militaire, eux, ils vont rester les bras croisés en face de vous qui n'avez que la bouche. Et, ils vont aussi, ils vont dire, bon, comme c'est la force, nous aussi, on va utiliser la force pour nous imposer. Et c'est ça qui amène ces fameux coups d'État. Et c'est ça qui amène même les gens à trouver légitime qu'ils puissent être la position de le faire. Aujourd'hui, vous voyez bien que nous sommes dans une presque société qui, où les gens, de temps en temps, se retrouvent face à certaines situations lorsqu'ils se sentent incapables de faire face au régime en place. Ils sont là en train de revendiquer le coup d'État, en train de souhaiter que les militaires utilisent leur position de force pour chasser le régime qui est là, quitte à ce que quand eux vont arriver, ils vont déconner, ils vont faire toutes les pagailles qu'ils font, comme on l'a vu durant toutes les transitions que nous avons connues avec les militaires qui sont arrivés au pouvoir qui se sont mis à piller, à voler, à détourner et à s'enrichir dans un laps de temps. Et on l'a vu la période de Wanké. Hein. On a vu ce que ça a donné, 9 mois sans salaire. On a vu la période de Talou. Tout ce que les gens ont pu hériter en termes de richesses qu'ils ont eu, les gens se sont mis à se le partager entre eux. Et on a tous entendu tout ce que le régime déchu a essayé de porter à la connaissance du public en termes d'efforts et des ressources qu'il a laissées. Et bon, dont on ne sait plus aujourd'hui quel a été réellement l'usage qui en a été fait et le régime qui est arrivé n'a pas été capable de faire un bilan pour dire aux gens voilà l'état des lieux de ce qu'il a hérité. Et puis bon, donc ça a été comme une sorte de d'omerta et les gens se sont entendus. On les a laissé le pouvoir, donc euh, ils ont laissé les gens en fermant les yeux sur tout ce qui aura été les impairs, les abus, les détournements, les enrichissements illicites que les gens se sont venus à livrer. Tout le monde a vu, en tout cas que en l'espace de 14 mois de gestion de Salou, beaucoup de gens sont devenus des nouveaux riches et on ne sait pas comment en l'espace de 14 mois, même si on a été ministre, président de la République, ou non, chef de l'État, ou je ne sais pas quoi dans le CSRD ou dans le régime, on peut se retrouver à être multimilliardaire parce qu'on a été dans une position de pouvoir durant une transition de 14 mois. Donc, il y a des tas de situations qui sont là, qui doivent imposer à nous tous l'obligation d'une synthèse, une synthèse citoyenne de notre manière de vivre ensemble et notre choix de vouloir vivre ensemble pour que nous soyons dans la position de nous rectifier, de nous corriger et de nous donner les chances d'une meilleure réorganisation de notre République à travers ce que nous avons dit de manière assez précise et concrète, à travers la refondation de la République qui doit être désormais assise sur des fondements de base assez crédibles parce qu'aujourd'hui, vous avez bien vu tous les fondamentaux de la vie en République sont pratiquement sans lui tout ce sur quoi on a reposé la République, on s'est rendu compte avec le temps qu'en réalité c'était mal fondé. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.